Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire du décryptage des faits saillants sur euh, le studio Kalangu. Et cette euh, semaine, les faits saillants ayant marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention sont d'abord euh, le premier Business Forum Union Européenne Niger organisé à Niamey du 7 euh, au 8 février dernier. Ensuite, euh, nous parlerons de la rencontre euh, mardi entre les responsables du réseau des télévisions et radios indépendantes du Niger, Artin, avec le président de la République, Mohamed Bazoum. Enfin, nous terminerons le forum de la presse de ce soir avec le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, provoquant des milliers de morts et des dégâts matériels considérables lundi dernier. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir euh, les confrères Maïmoune Gado, journaliste indépendante, Gary Amadou, journaliste au quotidien Mouria et La Nation, et Hussein Issa journaliste indépendant également à la modération du Forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Dij. Débutons le forum de la presse de ce soir avec euh, ce premier business forum Union européenne Niger qui a eu lieu à Niamey les mardis 7 et mercredi 8 février dernier. Cette rencontre vise à renforcer la coopération économique entre le Niger et l'Union européenne en permettant aux entreprises de découvrir les riches potentialités du Niger dans le domaine. Sur le site officiel de la délégation de l'Union européenne au Niger, on peut lire il s'agit d'une des plus importantes rencontres d'affaires de l'histoire économique du Niger, issue de l'engagement commun des autorités nigériennes et de l'Union européenne d'entamer une réflexion inclusive sur la promotion du secteur privé. Le forum se veut une force motrice pour le développement économique et social du Niger. Maimoun Diado, quelle analyse faites-vous de ce forum d'affaires Union européenne euh, Niger, organisée dans la foulée de la table ronde de décembre dernier à Paris sur le PDS du Niger pour euh, les années allant de 2022 jusqu'en 2026. Euh, déjà, donc, tu, tu, viens de signifier ça. C'est une suite de la table ronde du PDS tenue à Paris. Euh, en décembre. Mhm. Et je pense que c'est l'objectif, c'est vraiment euh, d'amener les partenaires euh, financiers à pouvoir investir au Niger, mhm. investir dans plusieurs domaines secteur, que ce soit le secteur privé surtout, parce que c'est l'accent est mis sur le secteur privé. je pense que c'est une bonne initiative. Mhm. C'est une, initiative à encourager. Du moment où euh, ça a drainé déjà beaucoup, en tout cas, de ses partenaires investisseurs et investisseurs étaient euh, au Niger. On parle de 400 investisseurs. Donc 400 euh, investisseurs aujourd'hui. 70 entreprises euh, européennes selon les organisations. Voilà, donc mm. ils ont eu la possibilité de découvrir mm. les potentialités du Niger à travers cette organisation, cette, euh, ce, forum. Mhm. Et je pense que déjà, on peut parler de la coopération sud-sud. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, euh, le président de la République a entièrement confiance au décollage économique, comme le dit, mhm. euh, du Niger. Et ça permettrait de faire un partenariat gagnant-gagnant, il l'a mhm. dit. Aujourd'hui, investir dans le Niger, il y a plusieurs euh, domaines euh, d'investissement où euh, on a besoin pour atteindre, en tout cas les ODD, il l'a dit, mhm. d'ici 2030. 2030. 2030, il faut vraiment un engagement sérieux, il faut des investissements sérieux pour le Niger. Mhm. Ils l'ont compris. Et ça a reconforté beaucoup d'investisseurs. depuis euh, la table ronde PDS, le Niger a pu convaincre déjà certains investisseurs mmh. euh, au niveau de, Paris. Mmh. Et euh, aujourd'hui, viennent s'ajouter à ces investisseurs déjà qui y croient. pour le Niger, qui croient que investir au Niger, c'est ne pas venir investir et, perdre son temps. Mmh. Euh, on a vraiment euh, beaucoup de choses. On a rien que quand vous regardez l'énergie, le côté énergie, mhm. c'est vraiment quelque chose où, où, on peut investir et on peut y gagner et le partenariat mhm. sera gagnant-gagnant. Les autorités ont souhaité à ce niveau beaucoup d'investissements, notamment dans le domaine solaire, parce qu'avec le soleil qu'on a, si on développe. Voilà, euh, justement, c'est ça. Parce les investissements. J'ai déjà, vu, j'ai mhm. déjà vu des, investisseurs, la délégation européenne qui était au niveau de Gourou Banda, mhm. euh, qui en ont discuté, ils ont visité, ils ont mhm. vu que c'était vraiment une opportunité à saisir. Mhm. Et avec ces investissements, je dis, le Niger peut sortir en tout cas euh, de cette situation, des situations que nous vivons, que ce soit du côté de l'électricité, que ce soit également parce qu'il a également euh, mis l'accent sur l'éducation, pourquoi pas, sur la santé. C'est des choses en tout cas prioritaires pour le Niger. Et je pense que pour l'atteinte des objectifs de l'ODD, Mhm. En 2030, euh, c'est un, bonne route. Mhm. C'est une bonne route pour le Niger. Il faut donc accélérer, il faut ce accélérer ce talent. Mhm. Il faut de temps à autre rappeler, de temps à autre organiser ces genres de forums pour pouvoir aussi atteindre beaucoup d'autres investisseurs qui n'ont pas pu, eu l'occasion, en tout cas, d'être ici avec nous pour ce forum, d'être aussi euh, impliqués. Merci beaucoup. Gary Amadou quels sont les enjeux d'une telle euh, rencontre euh, Business Forum conjointement organisée par euh, l'Union européenne et l'État du Niger Je pense que les enjeux sont, très évidents, c'est-à-dire que c'est la concrétisation des promesses qui ont été faites à Paris mm-hmm. lors de la table ronde sur le PDS 2022-2026. Et donc, je pense que les investisseurs qui sont, qui sont venus ont voulu démontrer que le Niger est un pays dans lequel on peut investir le Niger est un pays dans lequel on peut, investir pour plusieurs raisons d'ailleurs. Mhm. D'abord, euh, dans une sous-région où les pays sont embourbés dans, euh, en tout cas, la gestion euh, de la question sécuritaire. pendant que certains pays sont embourbés, le Niger est le seul pays qui sort pratiquement la tête de l'eau. Malgré quelques problèmes qui existent, la situation sécuritaire au Niger est mieux gérée que dans les autres pays de la mhm. sous-région. Deuxième chose, le Niger a un atout qui est l'atout politique la stabilité politique du Niger est, vantée dans tous les pays. Mm. partout sur le continent et dans le monde. C'est le pays dans lequel il y a eu la première alternance démocratique, un président démocratiquement élu et qui a donné euh, le pouvoir à un autre président démocratiquement élu. En tout cas, dans la sous-région, c'est quelque chose de nouveau qu'on est en train de voir. En tout cas, dans notre pays, c'était la première fois. Mm. Donc, cette stabilité politique, cette vivacité de notre démocratie font que les investisseurs ont envie de, de mettre de l'argent dans ce pays. Parce que ce sont des critères qui font qu'un investisseur décide de venir dans un pays. Mm. La sécurité, et la stabilité politique. Ces deux atouts-là sont là avec notre pays. Et donc, aujourd'hui, eh, déjà, le, Niger est parti au niveau de la table de Paris pour euh, montrer les opportunités dont regorge notre pays mhm. et montrer aux investisseurs que euh, vous pouvez venir gagner de l'argent. Parce que quand on dit investir, ce n'est pas de la charité, mhm. c'est gagnant-gagnant. Je crois que le président l'a même dit dans son discours. Et donc, vous pouvez venir investir, vous allez tirer votre épingle du jeu, en même temps, vous allez permettre aux populations nigériennes d'améliorer leurs conditions de vie. Mhm. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que tous les discours que j'ai suivis, parce que j'étais à la cérémonie d'ouverture, ça a montré l'engagement de ces partenaires-là à accompagner le Niger. Ils ont salué, ils ont vanté la vitalité de la démocratie nigérienne. Ils ont vanté le fait que le Niger est vraiment une exception dans la sous-région. Ils ont dit, ils vont tout faire, en tout cas, euh, pour, pour investir, bien sûr, dans plusieurs domaines parce que vous avez bien fait de le rappeler, il y a plus de 70 entreprises qui sont venues et, avec des, des, des, des, intérêts dans des domaines bien différents. Euh, mais ils sont partis à Gorubanda. Ça veut dire que le défi de l'approvisionnement du pays en énergie électrique est un défi constant, permanent et un défi pour toute la population nigérienne. Ils mm. l'ont compris je crois qu'il y aura des investissements, mais euh, euh, le plus important, c'est de montrer à quel point notre pays est devenu attrayant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est peut-être faire en sorte que, ça c'est le forum des investisseurs Union européenne Niger, mhm. faire en sorte qu'on puisse avoir notre forum d'investisseurs États-Unis Niger, vous comprenez, mhm. forum d'investisseurs chez Niger, Forum d'investissement, en tout cas tous les pays qui sont désireux d'investir mhm. pour qu'ils puissent le faire ici dans ce pays-là. Je pense que c'est ça la prochaine étape. En tout cas, j'exhorte euh, les autorités en charge des questions euh, de commerce, de, en tout cas à, à, à s'y atteler, mhm. de faire en sorte que ce forum ne soit que le premier et qu'il y ait d'autres forums qui concernent peut-être d'autres, euh, en tout cas, parties du monde mhm. et qui vont permettre au Niger vraiment d'avoir une affluence de, de, de flux économiques, d'investisseurs qui vont permettre de, le transformer complètement le pays. Merci Gary. Vous avez parlé de la cérémonie d'ouverture qui avait d'ailleurs été présidée par le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Et à cette occasion, il a dit, je le cite, ce forum est le lieu de découverte du potentiel économique du Niger et d'une réflexion commune entre les entreprises, les hommes d'affaires, les responsables politiques de l'Union européenne, de l'Afrique et du Niger pour définir des stratégies efficaces pour la mise en valeur de ce potentiel Oussainissa, Issa, quelles ont été les principales euh, conclusions de ce business euh, forum de deux jours et comment renforcer ce partenariat dans le domaine entrepreneurial euh, entre le Niger et les pays européens Les principales conclusions, c'est que des engagements ont été pris. Mhm. Il y a eu des accords qui ont été signés avec Bon, des accords, moi, mhm. moi laisse-moi tomber ces histoires d'accords mhm. là, s'il te plaît. Moi, je n'aime pas entendre parler d'accord dans ce pays. On a fait d'abord, comment dire, la table ronde des investisseurs et tout et tout. N'est-ce pas La troisième édition a été organisée, je crois, l'année dernière. Les deux premières éditions qui avaient été organisées, c'est pour le financement du développement, n'est-ce pas Le renforcement, comment dire, des infrastructures et tout et tout au Niger. On est tout le temps dans l'attente, nous. Vous savez pourquoi Les Occidentaux, quand vous leur dites de venir, ils vont venir. Mais il faut qu'on se pose aussi la question. Est-ce que le climat des affaires, malgré tout ce qu'on dit dans le discours, sur le terrain, ce n'est pas évident. N'est-ce pas hmm. Aujourd'hui, vous savez le coût de l'énergie. On ne peut pas mettre des industries en place tant que vous n'avez pas l'énergie. On est dans une situation qui est là depuis pratiquement des décennies. On est en train de chanter qu'on va avec, comment ça s'appelle, avec Kandaji, ça va finir. Mais j'attends de voir. Moi, j'attends de voir, parce que j'ai vu des barrages qui ont été réalisés, par exemple, au Mali, qui ont une capacité plus énorme que Kandaji, et qui ont été construits à moindre coût. Quand il y avait question de Gourbanda, c'était la même chose. Quand il y a eu, avant ce forum, il n'y a pas eu une réunion, et comment s'appelle l'industrialisation de l'Afrique mhm. Ça fait combien de mois aujourd'hui que cette réunion s'est tenue C'était en novembre Alors, ah, Jusqu'ici, mhm. moi, ce que je me dis quelque part, c'est que c'est bien beau, ça nous plaît de dire, bon, les gens viennent chez nous, n'est-ce pas C'est bien beau, quand on est à l'intérieur, on a comme l'impression que, bon, le fait que les gens viennent, allez voir l'industrie au Sénégal, allez voir l'industrie, y compris à côté au Bénin, un peu partout dans la sous-région, là, mm. n'est-ce pas Ils ont pu faire venir des gens parce que les conditions sont favorables pour que les gens viennent s'installer. Mais tout simplement parce qu'on a organisé une réunion, on a fait venir des, comment on appelle ça, des, partenaires occidentaux, des, entrepreneurs occidentaux, et on se met à clamer de deux mains que c'est fini, le Niger va être. Non. Il faut savoir raison garder. Moi, je vais dis, d'abord, l'industrialisation, c'est notre propre affaire. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Mm. Les histoires de pôle agro-industriel et tout et tout n'est-ce pas Mais au on dit souvent qu'il faut des devises, il faut de oh, l'argent. Il faut d'abord que les grandes industries, il faut les entreprises, ça nécessite beaucoup d'argent. Non, mais les citoyens n'ont pas les moyens. Michel, les citoyens n'ont pas les moyens. Il y a mm-hmm. beaucoup d'opérateurs économiques dans ce pays qui peuvent mettre des unités industrielles importantes en place, mm-hmm. S'il te plaît, il faut, parce que les gens ne veulent pas, parce que tout simplement, les gens craignent, ils, sont méfiants mm-hmm. par rapport au risque. Il y en a quelques-uns qui le font. Idango Omar, par, mhm. Ibrahim, par exemple, mhm. il a fait beaucoup de choses. il a expérimenté beaucoup de choses. il continue encore d'explorer, de voir, n'est-ce pas mhm. Mais parce que quelque part, lui, il a compris les enjeux. Mais il y a combien de gens qui brassent des milliards, mais qui hésitent il faut que nous-mêmes nous donnions l'exemple et que l'État aussi crée les conditions pour que quand ces gens vont venir, parce que quand l'énergie coûte cher et aléatoire, il n'est pas évident que des gens viennent investir. Et c'est ça qui fait que souvent, quand les gens s'installent, au bout d'un certain temps, ils arrêtent parce que vous ne pouvez pas concurrencer parce qu'on se met dans la posture, nous, en plus, ce qui est mauvais dans le cas du Niger, on se met dans la posture où on ne fait pas de protectionnisme. N'est-ce pas Pendant qu'il y a des sociétés qui sont là, qui essaient de produire, au lieu de créer les conditions pour que le marché local d'abord soit favorable à ces sociétés-là, on laisse entrer n'importe où des produits qui vont venir et qui vont être vendus à moins, à moins de coût. Vous pensez que dans ces conditions, partout dans les, au monde où ça s'est développé, c'est qu'un temps, les gens ont dit non, on laisse tomber toutes les règles, les, les, les, les comment on appelle ça, CDAO, machin, on laisse tomber. On met en place d'abord notre mécanisme on crée les conditions pour que l'industrie locale puisse se développer d'abord. Maintenant, on ouvre. Tant qu'on ne le fera pas, pendant que les gens vont venir s'installer, avec tous les coûts, avec les impôts, les taxes et tout et tout, moi je vous dis, les gens vont venir écouter ces gens à l'occasion de ces gens de rencontre, ils vont refaire leur valise et retourner chez eux. Parce que ce pas des gens qui viennent, on va leur exposer les vrais, les grands investisseurs, là, ils connaissent un peu la réalité de chaque pays. Il hein. ne mhm. faut pas se faire d'illusions. Même s'ils ne sont pas sur place, ils connaissent déjà, avant de venir déjà, ils connaissent quels sont les obstacles, les contraintes et comment faire. Est-ce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour surmonter ces obstacles-là en tout cas, c'est des questions d'actualité. Euh, L'État doit-il aider les industries sur place à se développer ou faire confiance aux partenaires pour euh, beaucoup investir dans le domaine entrepreneurial Merci beaucoup, on vous a bien compris. Et nous passons au second sujet de ce forum de la presse. Le réseau des radios et télévisions indépendantes euh, du Niger, RTN, a rencontré mardi le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum. L'objectif euh, était d'exposer au chef de l'État les problèmes que rencontrent les médias privés nigériens dans la perspective de trouver des solutions. Ali Idrissa, le directeur euh, général du groupe euh, de presse Labari et président de ce réseau fait le point au micro de Rafika Attaher. Les sources de financement de ces organes qui existaient, à savoir la publicité et la communication, certaines d'entre nous sont exclus systématiquement par rapport à leur ligne éditoriale. Aussi par rapport au fonds d'aide à la presse. C'est le CSC qui achète du matériel pour nos organes. Nous avions vu que c'est inefficace cette procédure. Nous avions souhaité que le gouvernement rehausse le fonds d'aide. C'est toute la presse privée à qui on distribue 200 millions dans la théorie. Et dans les 200 millions, seuls 150 millions à 153 millions des fois sont décaissés. Et cette fameuse redevance sur les factures hors terme, qui n'est pas normale aujourd'hui. On ne peut pas dire que les médias soient traités comme des entreprises, qu'on nous impose la même fiscalité. Ailleurs, il y a une fiscalité préférentielle pour les médias. Donc nous souhaitons aussi qu'on nous aligne dans ces sortes de situation. Sinon, nous risquerons d'être dans une situation où ces médias audiovisuels cesseraient d'exister. C'était les propos du promoteur du groupe de presse euh, Labari. Il est par ailleurs le président du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, Ertin Memungado. Quelle analyse faites-vous de tous ces problèmes et difficultés que soulève euh, ce réseau qui regroupe euh, des promoteurs de radio et télévision du Niger, c'est-à-dire le monde de la presse privée euh, d'abord, euh, je salue en tout cas l'engagement de, du réseau mhm. à aller rencontrer le président de la République pour pouvoir lui soumettre les difficultés auxquelles les médias sont confrontés aujourd'hui. Mhm. Il faut être dans, ce média, dans ces médias pour pouvoir connaître les vraies difficultés. Mhm. Et ce que le président a relevé, le président de Ertin a, relevé, je me dis qu'il a tout dit. Hmm. Il a tout dit du point de vue d'abord les impôts, hmm. du point de vue euh, la redevance de l'ORTEN. Hmm. Je me rappelle sur ce même plateau, j'avais évoqué cette situation de redevance de l'ORTEN, où j'ai dit que ce n'est pas équitable qu'on verse cette redevance à seulement l'ORTN, mhm. alors que les télévisions, les médias privés sont en train de cotiser la redevance à l'ORTN. C'est-à-dire que en même temps, parce qu'ils paient l'électricité. Mhm. Et quand vous payez l'électricité, il y a déjà cette redevance qui est là. Ce sont les abonnés de la Nigélec, en fait, euh, qui payent cette redevance mais, les abonnés... Ça figure dans la facture. et parmi, justement, les abonnés, il figurent, y ces entreprises, de, presse. privées. Mhm. Donc, moi, je me suis dit que pourquoi ne pas trouver une solution pour que la redevance, là, revienne à tous ces médias-là, voir comment est-ce que ces médias aussi peuvent profiter. Les médias privés. Les médias privés mhm. peuvent profiter. Donc, troisièmement, c'est le fonds d'aide à la presse. Mhm. L'enveloppe du fonds d'aide à la presse de 200 millions, tout le monde sait que c'est vraiment euh, insignifiant. Pour combien de médias Plus d'une mhm. dizaine ou combien de médias plus d'une dizaine seulement pour la télé. Pour la télé. Voilà. N'en parlons euh, même pas pour la presse, la presse écrite. Pour les journaux et Voilà. Mhm. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas... Et là, ce qu'il explique, c'est qu'il faut rappeler que le fonds d'aide à la presse a été institué à travers une loi de 2012 et il y a eu une révision pour permettre euh, des réformes euh, oh, au niveau de la répartition du fonds d'aide à la presse. et avec cette nouvelle loi, à partir de 2018, il a été dit qu'on ne va plus donner directement l'argent aux promoteurs. 35% de l'argent qu'on appelle fonds d'aide à la <laughs> presse va être consacré à la formation, des, journalistes. Et ce sont les 65% qui mhm. sont destinés aux organes de presse et ne prennent pas l'argent comme ça. C'est un soutien indirect, comme on dit. et donc, c'est pour acheter des équipements matériels. Ils l'ont décrié. Mhm. Et je suis totalement d'accord avec, avec l'association, avec mhm. le réseau. Parce que quand vous prenez, est-ce que chaque année, une télévision, par exemple, organe de presse qui va postuler. Mhm. Chaque année, est-ce que je vais me contenter d'acheter le matériel mhm. Alors Alors qu'il y a des questions qui urgent au sein de cet organe-là. Ça veut dire le paiement même des salaires. Aujourd'hui, les organes de presse, ils sont moins, ou je ne sais pas, peut-être deux ou trois, qui peuvent soutenir ne serait-ce que le salaire de ces employés-là. Les autres, c'est des arriérés. Mais comment est-ce que vous voulez que ces organes continuent à fonctionner mmh. normalement, à faire le travail normalement, à produire normalement et à faire en sorte que les médias privés puissent être aujourd'hui regardés normalement par les téléspectateurs et euh, les auditeurs C'est parce que tout simplement, ils n'ont pas les moyens de produire suffisamment. Mm. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui d'engager des professionnels des médias. Ils n'ont pas aujourd'hui les moyens, en tout cas, leur permettant de mener à bien le travail. Et ils l'ont dit. Mm. Si aujourd'hui ils sont passés directement, ils sont passés au niveau du président de la République, c'est parce qu'ils ont fait tout pour que, au niveau de leur ministère de tutelle, qui est le ministère de la Communication, que les choses puissent être réglées. Mm. Maintenant que les choses ne peuvent pas être réglées du point de vue au niveau du ministère de la Communication, mais il faut d'abord qu'on aille voir le président de la République mmh. pour qu'il donne son cutis, pour qu'il voit comment est-ce que à son niveau, il va donner des instructions mmh. pour que au moins on puisse ne serait-ce que rehausser, pourquoi pas, l'enveloppe du fonds d'aide à la presse. Pourquoi pas également faire en sorte, parce que euh, la loi, pas, la loi, mais euh, euh, qu'est-ce que je voudrais dire il y a cette convention, la mhm. convention collective, là. Qu'est-ce qui tarde la convention collective La convention collective, c'est parce que tout simplement, les promoteurs ont demandé à ceux qu'il y ait l'accès à, la publicité. Mhm. Et jusque-là, il n'y a pas l'accès à la publicité. Mhm. Et nous savons qu'un comité a été mis en place au niveau du CSC pour réfléchir par rapport justement à, la publicité, à, cette loi en sur tout la cas, Selon le promoteur euh, du groupe de presse Bagui est président de ces réseaux de radios et télévisions indépendantes euh, du Niger, on a l'impression que la ligne éditoriale pèse ici. aussi. Et que la ligne éditoriale, la ligne éditoriale quand elle ne convient pas, ça, freine certaines mhm. choses. Parce que Un a par rapport à ça, Telle télévision mhm. est de l'autre côté, telle télévision est avec nous, telle mhm. télévision. Donc, ça aussi, la ligne éditoriale, je pense qu'on ne tient pas compte de la ligne éditoriale. Dans la liberté de la presse, euh, voilà, on ne tient pas il y a une indépendance euh, qui doit quand même être Moi, je pense que vraiment, tout, ce qu'il a soulevé, c'est quand même quelque chose qui peut mhm. être réglé mhm. très rapidement. Oui, merci beaucoup. Gaga Amadou, qu'est-ce que le gouvernement peut faire euh, par rapport à tous ces problèmes et difficultés pour améliorer cette situation de la presse privée qu'on veut, en tout cas, dans un, environnement euh, de liberté de, presse, euh, euh, mais aussi d'exercice de, la profession dans la responsabilité. De la rencontre, parce mhm. que c'est quand même, quoi qu'on dise, c'est le réseau de télévision, des radios de télévision qui est parti rencontrer le président de la République. Mhm. Bon, et la presse écrite. Je crois que c'est pour cela que j'interpelle les dirigeants de l'ANEPI, mhm. dont je fais partie, pour qu'on cherche une audience pour partir aussi défendre notre cause. Parce que si vous avez suivi Ali, Ali, pratiquement tous ces propos concernaient les télévisions, mhm. en réalité. Oui, parce que peut-être il n'y a pas une coalition. Non, il y, a un problème, en fait. Les, voilà, ce que je voulais dire. Les éditeurs. Non, voilà ce que je voulais dire. Les promoteurs. Eh, Michel, mhm. eh, voilà ce que je voulais dire. Il y a un problème, en fait, au niveau du monde des médias. Mhm. Le, réseau de télévision national, n'est-ce pas, est une structure à part, alors que la structure fédératrice est censée être la maison de la presse. Mais les deux ne s'entendent pas. Mhm. C'est bien secret de tout le monde le sait. Parce que la maison de la presse, il y a les représentants des médias, de la presse publique, de la presse privée, donc tout le monde est là-bas. Tout le monde est là-bas. Alors, que là, là, c'est la presse privée. Non, là, c'est même les télévisions. Voilà, c'est ça. C'est uniquement les télévisions, c'est même pas la presse écrite. <laughs> voilà, c'est... Les télévisions, il n'y a même pas la mm-hmm. presse écrite. Parce Et que donc, souvent, les gens n'ont pas les mêmes intérêts. Non, la redevance au ils n'ont pas les mêmes intérêts. Nous, la presse écrite, ça nous... La revendication ne concerne que... Merci beaucoup. Et donc ça ne concerne que les télévisions privées, mhm. en réalité, et les radios privées. Et donc, aujourd'hui, maintenant, il appartient à l'ANEPI, elle aussi, euh, d'engager, vraiment, de chercher une audience avec le peuple de la République pour que, au niveau de la presse écrite, parce que les problèmes aussi là-bas sont énormes, mhm. pour que ces problèmes puissent être solutionnés. Maintenant, est-ce que vous avez les mêmes problèmes, euh, par exemple, euh, non, on n'a pas, les mêmes problèmes. Presse on n'a pas les mêmes problèmes parce que euh, les télévisions emploient beaucoup plus d'employés mhm. que les presses écrites. Mhm. Est-ce que vous comprenez Voilà. Et donc, euh, parce que pour avoir une télé, il faut avoir un siège, mhm. il faut avoir du matériel pour le, pour, le, pour, le filmage, pour le cadrage et tout, tout, tout. Il faut avoir des journalistes, il faut avoir des salles de montage et tout, tout, tout. La presse écrite, aujourd'hui, à, l'ère de l'informatique, ce n'est pas très compliqué. Est-ce que vous comprenez D'ailleurs, tout se fait en ligne. Tu fais un article sur ton ordinateur, tu envoies. Donc, et puis le metteur en page est là avec une machine, ça va. Ce n'est pas les mêmes problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Et malgré cette bipolarité-là dont on a parlé, des médias qui sont proches du pouvoir et ceux qui sont euh, euh, euh, proches de l'opposition, ce mm-hmm. sont les mêmes difficultés mm-hmm. en matière d'impôts qu'on a. Est-ce que vous comprenez Il n'y a pas un impôt pour, la pour cette télé proche du pouvoir ou un impôt pour cette télé. Ah non, non, non. La DGI, là, c'est des impôts qu'on a. Maintenant, le combat, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un régime fiscal à part. Mhm. pour la presse. Et j'ai dit même pour l'ensemble de la presse. Mhm. Je ne parle pas seulement des radios et télévisions. certainement Parce que, le problème. Euh, le problème, on doit apporter des solutions, ça doit englober tout. mais, mais déjà, les gens vont en rendre dispersés, je vous dis. Mhm. déjà, déjà, déjà, les radios et télévisions vont rencontrer le président. La maison de la presse est là, l'ANEPI est là. Et donc, puisque c'est comme ça, L'ANEPI va chercher à rencontrer le président de la République. On vous a bien compris. Il faut donc, maintenant, attends, je n'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. C'est très important ce que je suis en train de dire parce que et on a parlé de, fonds d'aide à la presse. Mhm. Mais moi, je suis d'accord qu'on donne le matériel. Pourquoi Parce que ce sont les employés eux-mêmes qui disent que malgré le fonds d'aide à la presse qu'on donne chaque année, et dont les bénéficiaires sont toujours les mêmes, mhm. ça n'améliore pas leurs conditions de vie, les journalistes, eux. Pendant que les patrons partent acheter des jardins. Tous les patrons des de, télévisions, la plupart ont des jardins mhm. personnels. Et donc, à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que vous allez vous offusquer parce qu'on vous dit qu'on donne le matériel Mais je vous dis, les employés sont en train d'applaudir cette nouvelle-là. Parce que déjà avant, quand on leur donnait de l'argent, 14 millions, 15 millions, ça ne, changeait pas leurs conditions de vie. Ça changeait seulement les conditions de vie des patrons. Hmm. Mais ces promoteurs estiment que c'est quand ils auront beaucoup d'argent qu'ils non, non, pourront mieux payer, non, non, non, non, Moi, je suis d'accord, je suis d'accord que euh, euh, euh, si on, décide cette fois-ci hmm. de donner de l'argent au lieu du matériel, eh bien, il faut que l'État ait un regardant hmm. concernant c'est-à-dire que parce que j'ai l'impression que le CSC, le aussi ne fait pas son travail, parce que eh, normalement, on doit avoir une traçabilité de ce argent là Quand on vous donne 14 millions, on doit savoir ce que vous en avez fait. Mhm. Est-ce que vous comprenez Si vous dites que eh, eh, c'est rentré dans les salaires, en quoi est-ce que ça a amélioré les salaires des, journalistes En quoi est-ce que vous avez des, pendant que le patron vit dans une, il mène une vie de pacha, ses employés ne sont pas payés. Mhm. Mais lui chez lui on ne coupe pas le courant. Chez lui on ne coupe pas l'eau. Mais l'agent là qui vient là, le cadre là qui vient là, chez lui, il n'a même pas de quoi, de, quoi poser. Je ne parle même pas de trucs. Mhm. Et on coupe le courant, on coupe le loyer, il ne peut même pas payer. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, euh, moi, je suis contre euh, euh, cette idée de vouloir donner. Moi, je suis pour qu'on continue à donner le matériel et qu'on fasse la formation. Maintenant, je suis pour l'allègement fiscal ou un régime fiscal à part qui peut permettre à la presse d'évoluer. Ça, je suis d'accord. Merci beaucoup, Gaga Amadou. Hussein Nissa le gouvernement a-t-il intérêt à euh, revoir sa copie par rapport au traitement actuel, euh, par rapport au fond d'aide à la presse, par rapport à ces différentes questions telles que la redevance euh, au l'accès à la publicité et qu'est-ce que tout cela pourrait permettre à la presse privée de façon générale d'apporter au pays eh ben, à ce que je cherche, tous ces problèmes-là ont été exposés depuis des années. Mhm. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On a assisté à quelques réaménagements par rapport enfin, où ils ont décidé, depuis deux ans, deux machins, ils ont décidé depuis l'année de, de changer le mode de tout et tout. Mhm. N'est-ce pas Ils vont acheter du matériel à la place des gens et tout. N'est-ce pas n'est-ce pas mm. C'est ça ils ont décidé de faire. Et ils vont garder quelque chose de combien de pourcents pour ah, faire la formation. Moi, j'aimerais savoir qui ont été formés sur, le, sur le montant qui a été retenu. Il y a eu des formations. Peut-être que le CSC doit élaborer des rapports. Mais non, moi, je vais dire, je vais dire, mhm. je vais dire, les besoins en formation, là, moi, je dis, les journalistes, s'il y a un pays où les gens ont formé suffisamment les journalistes, c'est bien le Niger, je sais de mhm. quoi je parle ça, que peut faire le gouvernement Le gouvernement, s'il veut faire, s'il te plaît, on a posé le problème. 200 millions, on se serait combien de pourcents Et même le matériel qu'on achète pour donner, c'est du matériel d'occasion, on achète pour venir donner aux organes. Allez-y, je vous mets au défi, allez-y, regardez ce qu'on a remis. Tu soumissionnes peu des motos, on va aller acheter une moto de seconde main pour t'amener. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça ne va pas, n'est-ce pas ça ne va pas, ça ne devait pas se passer comme ça. On connaît le prix de la moto neuve, on connaît quand il y a beaucoup de gens qui ont eu ces difficultés-là cette année. Ça signifie quoi à ce niveau, c'est l'État qui achète. Non, non, non, c'est pas l'État. Mhm. C'est le CEC qui achète le matériel pour le mettre au mais, de l'État. non, mais quand le CEC doit agir, au lieu d'aller acheter des motos mhm. neuves, on achète des motos d'occasion pour t'amener. Mhm. On a pratiquement on a des voitures d'occasion, c'était créer des ennuis. Mhm. Parce qu'on eh, ne sait pas combien de temps ça va tenir. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect par rapport à cette rédevance là c'est pas aujourd'hui on sait d'où provient le blocage. Et quelque part, je me dis quelque part, ça arrange le gouvernement parce que le gouvernement peut décider s'il le veut. Voilà, à partir du moment où il y a aujourd'hui, parce que quand le monopole, quand ça a été institué, il y avait que la voix du Sahel, il y avait que Télé Sahel au moment où ça avait été institué. Mais à partir du moment où il y a des médias audiovisuels, on ne peut pas continuer quand même mhm. à, verser tout le pactole que tu payes forcément mhm. à un seul média. Est-ce que. Voilà, une clé de il il y a beaucoup de travail à faire à ce non, niveau. Non, c'est pour ça que j'ai dit, ils sont allés voir. Et je vais à Gary aussi, pourquoi la, station des radios et de des télévisions, ils sont allés. Hmm. parce que c'est dynamique. Eh, tu parles de l'ANP, l'ANP où Merci ou La euh, Rapidement, que peut faire le gouvernement Maïmoun Diado pour tourner la page Ce que je voulais juste dire, c'est que euh, je joins l'idée de Gary. Mhm. Maintenant, le fonds d'aide, même si on va attribuer le fonds d'aide directement à ses promoteurs, il faut qu'il y ait des mesures qu'on mette en place des garde-fous mhm. qui vont, si c'est pour le salaire, mhm. qu'on sache en quoi ça améliorer le salaire. Qu'on sache où va l'argent. Voilà. Il faut de la transparence. voilà. Mais je me dis que les deux ans les deux ans, en tout cas, deux ans ou trois ans, mhm. je me dis que rien n'a changé au niveau, au niveau, de la presse privée. Mhm. Ça veut dire qu'on achète le matériel, je suis d'accord. Mhm. Mais est-ce que le matériel contribue aujourd'hui à l'amélioration des conditions de vie de ces hommes de médias Que peut faire le gouvernement par rapport à tout ça Mais par rapport à tout ça, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, c'est de mettre, oui, c'est de mettre des garde-fous. C'est de mettre des garde-fous et d'augmenter sur l'enveloppe qui est de 200 millions eh, et mettre des garde-fous pour que à chaque euh, qu'on améliore d'abord les conditions de vie et de travail de ces, de, ces hommes de médias et qu'on ait un œil regardant sur le salaire. Le salaire doit être Merci beaucoup. Il faut donc prendre en compte, euh, en tout cas, les doléances euh, du réseau des radios et télévisions indépendante du Niger. En tout cas, on constate que cet avis est unanime, mais par rapport à, l'achat des matériels, euh, il y a une divergence de point de vue. Sur la qualité du matériel acheté, mm. il a raison. Parce que déjà, certains matériaux qui ont été achetés, il paraît qu'ils sont déjà amortis hum. dans dans organes, c'est ce qu'on dit. Deuxièmement, le fondé de la presse, pour moi, tant que ce sont les mêmes critères qui vont être imposés là, ce sont toujours les mêmes organes qui vont en bénéficier. Pour moi, le fonds d'aide à, à la presse là, il doit être démocratique. Tant qu'un organe existe, il doit en bénéficier. C'est tout. C'est pas la peine de mettre des trucs on genre. pas euh, établir non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non. On juge la faut fiscalité, tout ça. beaucoup. Donc, il faut donc euh, beaucoup. Bien sûr. Puisse avoir les infras. Voilà, il faut donc euh, beaucoup de réflexion pour arriver à trouver les solutions à ces différents problèmes et difficultés soulevées par euh, le réseau des radios et télévisions indépendantes euh, du Niger lors de la rencontre euh, de mardi passé avec le président de la République. Et nous terminons le forum de la presse de ce soir avec l'actualité internationale et c'est pour parler de cette triste catastrophe naturelle. Un puissant séisme a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. C'était lundi dernier, provoquant beaucoup de milliers de morts et des dégâts matériels considérables. Le bilan du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir et dépassait le jeudi 9 février les 16 000 morts. La Turquie déplore officiellement au moins 12 500 morts. Il s'agit du pire bilan depuis le séisme de 1999 qui avait fait 17 000 morts, dont un millier à Istanbul a écrit jeudi le site euh, web d'information Houf euh, Post. Gary Amadou, quelles sont les autres informations que vous avez par rapport à ce les, séisme Les informations que j'ai, ce sont les mêmes informations qui sont sur les, en tout cas sur les chaînes d'information. C'est vraiment une catastrophe pour ces, pour ces deux pays. Mais moi, j'ai été scandalisé par une sorte de discrimination dans l'aide mhm. apportée aux sinistrés. Vous savez, parce que les pays occidentaux, parce que la Syrie, là, parce que c'est Al-Assad qui est là, mhm. n'est-ce pas On a politisé la chose, on concentre l'aide au niveau de la Turquie, mais la Syrie, on n'amène pas beaucoup d'aide. Mhm. Il n'y a que l'Iran, la Russie qui. et c'était devenu tellement flagrant que le secrétaire général de l'ONU, ce matin, a appelé à ne pas faire de la politique quand il s'agit de sinistrer. Mhm. Mais c'est ignoble ce qui se passe. Il a demandé de mettre de côté la politique. Mais, mais c'est horrible parce qu'il y a des enfants syriens qui sont sous le décombre. Mhm. on cherche Il y a des femmes, des enfants. Le fait qu'il ait pris la mais Mais pourquoi on politise le, le, malheur même mhm. Pourquoi Moi, pour moi, quelles que soient vos divergences, quand il y a un malheur qui frappe un pays, c'est l'humanité qui doit sortir l'humanité. Toute l'humanité, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des intérêts que les gens essayent fait des calculs politiques. Visiblement. tout le monde se rue vers la, vers, la, Turquie, mhm. comme si en Syrie, y alors qu'il y a des alors y a des victimes en Syrie. Mhm. le, secrétaire général de l'ONU était scandalisé. Il a parlé aujourd'hui ce matin. Il dit non, faut, ne faites pas de la politique même à propos de ça. C'est mhm. horrible. Il y a des enfants syriens qui sont sous les deux décombres, des femmes, des enfants. Quand même, il faut que l'aide soit équitable. Il faut aller aussi aider la Syrie. Moi, j'ai été scandalisé depuis avant-hier quand je voyais le flot avec un tapage médiatique en Turquie. Voilà. Non. Euh, Franchement, c'est horrible. Arrêtons de faire de la politique à un certain moment. Quand il y a le malheur, il faut que notre humanité puisse sortir et s'exprimer. C'est mieux pour nous tous. Mhm. Merci beaucoup, Gary Amadou. Ousseinissa. Euh, euh, que faut-il dire par rapport à cette euh, solidarité, justement Ma profonde compassion. Le séisme qui est allé à un peu plus de turc et au peuple syrien. C'est des choses qui sont imprévisibles, n'est-ce pas 2019, mm-hmm. Gary vient de dire, la Turquie a déjà connu. Mais en matière de catastrophe, il n'y a pas à potiser. Malheureusement, tout est calculé aujourd'hui dans ce monde-là. Mm. Et moi, je pense que c'est de moi. Parce que personne, en tout cas, que ce soit en Syrie, ceux qui sont morts là, ce pas des politiciens, <laughs> c'est des gens qui veulent vivre. De la même manière qu'en Turquie, de la même manière, c'est des gens qui, souvent, ils ne s'intéressent même pas à la politique. Mhm. Maintenant, pourquoi politiser mhm. le soutien, l'assistance à des victimes mhm. On doit pouvoir déployer les mêmes efforts autant en Turquie qu'en Syrie mais vouloir montrer que, bon, on est en divergence avec la Turquie, la Syrie, on va concentrer nos efforts. Moi, je me dis, mhm. si c'est comme ça, il faut qu'ils rentrent chez eux. Ils n'ont pas à nous donner des leçons, n'est-ce pas parce qu'ils n'ont pas à nous donner des leçons parce que l'assistance humanitaire euh, dans le droit international euh, humanitaire en tout cas c'est sans discrimination mais la croix rouge fait partie des mhm. premières institutions qui ont été créées mhm. n'est-ce pas depuis la première guerre mondiale à la rue du Nord pour mm. assister les blessés. Et quand ils, prennent les blessés de guerre, mm. on ne regarde pas si c'est l'ennemi ah, ou c'est comment. À un livre même qu'il a écrit, Les souvenirs de Solferino. Mais si on vous a bien compris, Maimoun Diado. Pour terminer, quelles pourraient être les conséquences euh, de ce violent hum, séisme oh, C'est très grave. Et puis, euh, euh, jusque-là, il y a toujours des morts qui sont dans les décombres. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que <laughs> on, ne cessera de compter les morts jusqu'à une hauteur. Euh, déjà 15, 000, euh, c'est ça mhm. Donc, plus, de 16 euh, 000. donc mhm. ça veut dire que les, jours à venir, on sera on mhm. peut-être plus de de, de, 16 000 déjà notifiés. Et c'est parce que c'est le rapport provisoire. Donc, je me dis que vraiment, c'est vraiment, je, je n'ai pas les mots devant ce qui vient d'arriver mhm. pour la Turquie et l'autre pays, la Syrie. Mais ce que moi aussi j'ai remarqué, c'est la même chose que les deux confrères ont remarqué, mhm. c'est que l'aide humanitaire doit être en tout cas distribuée des deux côtés. Mhm. Parce que ceux qui sont décédés n'ont rien à voir avec la politique. Il faut mettre la politique de côté et il faut aussi interpeller les médias, les médias occidentaux où quand tu ouvres aujourd'hui, tu n'entends rien que la Turquie. On dirait que la Syrie est complètement effacée, a cessé d'exister. On ne fait que la Turquie, on ne montre que euh, les, compassions des uns et des autres, des présidents en faveur donc de la Turquie, les cahiers signés de, condoléances et tout. Moi, je me dis, aujourd'hui, hein, il faut que chacun de nous euh, se mette en tête à prier, se mette à prier pour ses euh, mhm. victimes, Merci beaucoup. Parce que quand on dit c'est l'humanisme, c'est l'humanisme. on ne peut pas amener grand-chose, mais je pense que de par nos prières. En tout cas, au Niger, il faut rappeler qu'après ce séisme de magnitude 7,8 qui a frappé les deux pays, euh, et syrien, le président de la République du Niger, à travers un tweet, euh, a exprimé ses prières et sa compassion à l'endroit des victimes, mais également des mots de solidarité à l'endroit de ses homologues turcs euh, Tayyip Erdogan ainsi que de la Syrie Bachar el-Assad. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Nous étions en compagnie de nos confrères Maïmoun Diado, journaliste indépendante, Gary Amadou, journaliste euh, au journal Mouria et La Nation, et Hussein Issa, journaliste euh, indépendant également. À la modération du Forum de la presse euh, de ce soir, je suis Michel Deji. L'équipe euh, technique est composée de Amina Hassan et Issa Laoli. Agréable soirée à toutes et à tous et bon week-end.